Je m'appelle Kekoto Diao, professeur d'histoire et de géographie, euh, notable du village de Boudjouk. Merci. Qui s'est déplacé massivement pour trouver une solution à ce problème auquel le quartier de Boudjouk est confronté. Euh, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, surtout le problème d'accès avec cette situation des inondations la route est complètement coupée et Boudjouk est complètement coupée de la route nationale. Et donc nous sommes là aujourd'hui mobilisés pour trouver une solution à ce problème. Mais encore également euh, attirer l'attention des autorités au niveau de la mairie de Gandon pour qu'ils nous viennent en aide. Mais également la commune de Saint-Louis, surtout avec le ministre des Infrastructures, euh, Mansour Faye, pour qu'ils viennent au moins nous aider à trouver une solution à, à ce problème. Vraiment, les populations sont fatiguées avec le problème de l'insécurité, euh, le problème d'assainissement et surtout avec cette station qui est construite ici au niveau de Boudjouk. Et donc, Boudjouk ne bénéficie pas, Boudjouk n'est pas connecté à ce réseau d'assainissement. Vraiment, là aussi, nous attirons l'attention des autorités, puisque Boudjouk parvient à être connecté à ce réseau d'assainissement, puisque vraiment, euh, Boudjouk subit les conséquences d'évacuation des eaux usées. Mais malheureusement, malheureusement, nous sommes là et cette situation perdure encore une fois. Et également, encore une fois, rappeler euh, les autorités pour qu'ils viennent, qu'elles nous viennent en aide, mais également remercier la mobilisation de la population de Boudjouk, la jeunesse de Boudjouk qui s'est mobilisée au moins pour trouver une solution à ce problème. Mais c'est un problème qui dépasse la population de Boudjouk. C'est un problème énorme, c'est un grand problème auquel c'est seulement l'État et les autorités qui peuvent nous venir en aide. Voilà donc euh, cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, nous attirons encore une fois les autorités administratives pour qu'elles nous viennent en aide pour trouver euh, une solution à ce problème auquel nous sommes confrontés. Merci. man euh, responsable PDS à Boudjouk, parce que l'Union fi y a du côté politique <laughs>

wax deug yalla pendant des années et des années ñoo ngi ci wax pour ñu dimbali ñu ci ndax ñun wa Bujuk dafa am lo xamni yalla yàlla ko defal tuma wax sax wa Bujuk mais damay wax ñun wa Ndar dafa am luñu yalla defal parce que je pense aujourd'hui que le président Macky Sall le tuñu dara parce que li ñuy joy ni côté tali la té le ministre des infrastructures Mansour Faye mu ngi dëkk fi ci biir Ndar yalla may ñuko tay donc li yaakaar naa tey mu jog fi këram mu ngi ni à 0 mètre 50 donc je pense que Monsieur le maire Mansour Pay, nous nous n'avons aucun problème avec lui ñun amuñu benn problème ak lui. Et ñun dañu bëgg wax dëgg yàlla mu jàppale parce que madame le maire aussi de la commune de Gandon mu ngi fii ci biir dëkk bi la dëkk muy suñu sœur mu bokk dans la commune de Gandon donc tey nous wax dëgg la waron nañu ñëw taxaw fii tey si population bu jug mais li jeunesse bu jug wane tey mooy béy ci sa weewu tànk parce que lii mënoon nañu nekk fii di xaar autorité yi pour ñu ñëw defar ñu mais ñun dañu jóg jiitu ci autorités yi nekk dañ leen di ñaan nag incha allahu rabbi pour ñu ñëw dimbali si ñu dimbali ñu ngir yàlla defaral ñu lii nga xam ne monsieur Sy wax na ko léegi matul sax 3 kilomètres wax dëgg yàlla parce que gis nañu ministre Mansour Faye li muy def tey ci ay tali ay pavé ci biir dëkk yi waxuma la sax cité bu jug fii te post presque 4 kilomètres de pavé mon ko commencé fi té ñoo ñep village traditionnel Bujuk bi mom mo leen jox fiñu dëkk donc tay ñoo ngi koy un appel que vraiment que mu ñëw vraiment jàppale ñu ngir yalla wa a yi mu défaral ñu suñu yoon bi nga xamné wax dëgg yalla côté bu né nawet dañuy am problème té gis nga légui école mu ngi waji a ubbi suñu xalé ñoo ngi wara jangi jàngi échange comme amuñu fenn fuñu jaar pour dem ba ci kaw tali ba pour jëli oto te gis ngeen lii li ñu ko andi lépp mooy assainissement bi nga xam ne def nañ ko fii te assainissement bi bañ ko defee fii moo ñu andil problème yëpp te assainissement bi village traditionnel bi tey bénéficier wu ci donc yooyu tamit c'est des problèmes yoo xam ni wax dëgg yàlla dañ koy lancer waale kun ñu dimbali ñu ci assainissement fi mu waroon ag ci biir village traditionnel aussi mu fexé ba ag fa parce que li lepp assainissement bi moo ñu ko andal donc vraiment lolu mo taxone ñuy lancer un appel que vraiment que ñu ñëw jappalé ñu parce que ñun tay amuñu lenn ludul bujuk amuñu lenn ludul bujuk donc ma ngi leen di gërëm di leen. moi aussi je suis un riverain parce que je viens d'habiter dans cette euh, euh, communauté depuis 2017 je m'appelle Ousmane Sy j'exerce dans l'école de Boudjouk mais aujourd'hui, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont déplorables dans cette communauté. Euh, vous avez les routes qui posent problème. On ne peut pas imaginer qu'on soit à presque près de 400 mètres de la route nationale et qu'on n'arrive pas vraiment à utiliser correctement cette route. Donc une bande qui te fait au moins 3 km, qui devrait être goudronnée, mais on ne sent pas vraiment les autorités administratives. Parce que la mairie, elle est là. Nous ne parlons pas pour euh, créer des problèmes ou autres, mais si nous vivons des difficultés, nous devons vraiment les exprimer. Parce que tous les Boudjoukois sont très très très remontés contre cette situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Boudjouk soit un berceau qui a permis à Saint-Louis et à beaucoup de, communautés d'avoir des parcelles et d'habiter ici et que Boudjouk ne peut rien bénéficier. Tout ce qu'on voit à Boudjouk, ce n'est que les voitures de commercial les voitures de la Sénélec, on ne voit rien d'autre. Donc il est temps que toutes ces autorités puissent venir nous appuyer, nous aider pour qu'on puisse vraiment euh, euh, vivre pleinement ce que nous désirons. Parce qu'actuellement, euh, imaginez une personne qui veut se rendre à Saint-Louis, tu es à 400 mètres de la, de la route. ta voiture tombe en panne, tu sors de ta maison, 40 mètres après ta voiture tombe en panne, tu ne peux pas continuer. Tu viens avec tes pieds, tu es obligé d'entrer dans la boue une boue nauséabonde occasionnée vraiment par euh, un service euh, une station d'assainissement qui, qui ne bénéficie même pas, euh, bénéficie même pas à, la communauté boudjoukoise. Vraiment, c'est déplorable. Donc nous invitons et nous souhaiterons que le ministre des Infrastructures que le directeur de l'Ageroute puisse venir vraiment, parce que le moment est là. On est en train de faire euh, la route de, de, de, de, Makatoubé, de Gandon, etc. Mais c'est l'occasion, nous lui demandons vraiment de nous aider, ne serait-ce que pour 4 km de route goudronnée, vraiment ça va nous aider et ça aura un impact sur plus de 10 000 personnes. Vraiment, ah nous remercions.